aywa euh, soobu nañ ci jàngat bi sherif euh, souleyman ak wàllu koom lay waxtaanee comme tey la ñi ci njeexintalu at ñu eh, def euh, taxaw seetlu bi bilan euh, njeexintal yi euh, les points forts les points faibles ak itam eh, naka la def ba joyantiko

ben ci gis-gis bi nga am mën am ci économie bi la te lolu buñ ko xolé euh économie Sénégal liñ ci mën japp mom moy dafa xaw am yakar bu tas tuuti mhm. ci atum ren bi parce que dafa waroon at bo xamné ci exploiter suñu ressources gazières et pétrolières bu boba suñu taux de croissance ñu ko ko xeyma euh entre 9 ba 10,1% selon les chiffres du gouvernement. ci mujjantal ba li ñu jàpp moom mooy ren bi ñu réajusté réajusté waat suñu taux de croissance 4,1%. Le 1 pour cent la nar a nekk xam nga loolu écart bu mag la. diggante 4 et 9,2. virgule 10,1 ba 10 virgule 1 yi nga xam ne moom euh, état bi. Euh, mhm. euh, pour donner une idée parce que ça ce sont des pourcentages ça ne reflète pas grand chose Bokhaïma à peu près en moyenne suñu PIB actuellement à 20 000 milliards de francs CFA à peu près. Mhm. ëpp ren euh, mhm. mais moyenne 1 des 200 200 milliards. kon diggante 4,1% et 10,1%

Euh, on va se retrouver à 4,9%. on espère 3,9 mais 4,9% mais il faut que l'inflation. parce que 2022 5,9% 2023 4,9% donc il y a am ak li c'est juste après Covid. nañ ba 14% de taux d'inflation. donc boo demee ba am 4,9 Amane, cent amaana mën nga ci euh, am yakar ni li lu bax la lo xam évolution positive la ci économie bi. té loolu nit ñi di yek dem ci ñëwaat bu ci kanamee tuuti. Hmm. parce que dama né dafa am lecture bi nga xamné macroéconomique la donc taux de croissance est essentiellement taux d'inflation mhm. après il y a agrégat lu par exemple mhm. euh, compte courant compte courant mooy suñuy jëflante ak bitim réew mhm. li ñuy exporté ak li ñuy importé Ce ñuy euh, euh, ci comme ci Copper, avec l'extérieur et li nga xam ne extérieur y compris suñuy diaspora avons ñuy envoyé ak li ñu endetté sur les marchés internationaux ak on a un lourd déficit en moyenne 20 passé 20 du PIB encore une fois da ngay calculs, calcul. boo 1 PIB à peu près à 200 milliards de francs CFA Ne multipliez par 10 oui, 2000 Ne multiplier ko par 20 4000. 4000 milliards vous savez de ak bitim euh, dafa trou 4000 milliards boo ci copper ci ñun li ñu euh, exporté ak yeneen ne di jóge si ñun dem ci bitim mhm. am loolu tamit dafa am te pour nga combler Donc da nga koy financer. Mhm. y compris par la dette. mais am yenen ces euh, exportations exportation yoké dina wañi ki bi loolu moy yakaru dewen xëy na dinañ ñëwaat ci dewen touti parce que il faut ñu wax ci parce que année prochaine année charnière lay nekk. Mhm. par rapport ak agrégat yooyu. donc loolu moy bo jëlee les agrégats macroéconomiques. beneen nattukaay bi ñu am pour xool nan la économie bi évoluer moom mooy ni koy dundee. Mm-hmm. parce que nag looloo ci ëpp solo. mën nga am ay taux de croissance ak yi ay wàññi sa ay déficit courant wàññi sa taux d'inflation ak yi ni mel bu ko nit ñi yëgul seeni ay poche mm-hmm. ak seen dund ci njëg yi bu boobaa day am waroo waroo boobu nag day am de temps en temps. Mm-hmm. bu ñu lecture bi nga xam mom moy euh, nan la ko entreprise dundé ak nan la ko ménage dundé ci seen i jëflante jënd seen jaay seen dundien ak yini mel fofu tamit c'est un tableau un peu mitigé ma ngi don wax légui légui bo jëlé agrégat bi taux d'inflation bi dafa wañi ça veut dire quoi globalement les prix ont baissé globalement. Mm-hmm. waye tay ji sénégalais bo jël ne ko euh, sa dund nu mu mel la a ah, njëkk yi dafa tar. Hmm. Et lu que, mhm. une des premières mesures qu'on 2023 c'est de réajuster les prix de l'énergie mhm. courant bi l'électricité. Mhm. électricité or nous avons contribué beaucoup à l'inflation. Si l'énergie énergie nga ça veut dire que presque yok nga prix même si indee ay réglementation di def ay prix euh, homologué ay prix euh, euh, fixe fixé ak yi mel la réalité sur le terrain moom pri prix day yok moy li ngay dégg ni boulanger yi ne la ñun dañuy yok bagn bagn bëgg dañuy yok parce que mënatuñu ko euh, état bi amna lu ñuy jëflante ak ñun mais même loolu combletul li yok ci suñu ay charge par rapport ak électricité par rapport ak yenen intrants intrants yi aussi euh, produits importés yi ci le ci le bok donc bo jëlé lecture bobu dans le nan la nit ñi comme ci dundin tous les jours. Euh, encore une fois tableau mitigé amana amna yo xamné xam na amna yo xamné ko mais globalement le ressenti. moment moy que ni comme comme bi maintenant il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit en français salaire quand même yok nañ ko. ci secteur public bi dans la fonction publique. Euh, amna na ay efforts yu ñuy def privé pour que salaire yi gën yokku amana amortir un tout petit peu ni nga xamné non lañu waron yégué, tar bi nga du point de vue de la consommation et des ménages. Euh, c'est une problématique extrêmement importante. Mm, dafa nekk point bo xamné c'est un point polémique. dégg ministre euh, du des finances et du budget. Nous mm-hmm. nous euh, devant l'Assemblée nationale cette question-là. Il reconnaît quand même. Il reconnaît que service dette bi mais taille du boo une lecture aussi dans les halls par exemple le, rapport de la revue du FMI nous nga ne soumettre les instances ba il y a quelques jours nous valider ko euh, mu dégager les 169 milliards qui ont été ne la FMI le premier décaissement dans le cadre des nouveaux programmes Nous, ñu seq ak document dans le détail sur plein de questions il y a day polémiques politique euh, à l'interne mais di nga gis ni état day am double langage c'est-à-dire consommation interne buñ démé assemblée nationale dans les médias etc. cetera nga gis mu am ben wax buñu wax mais dans les rapports et dans les documents il ngay xamee ni état bi benen langage la am ak nos partenaires yi nga nous ne dañ ñu dañu seq ak ñom j'ai pas envie de dire dañ ñu obligé parce que ken obligé wuñu les programmes état bi day ñëw tok FMI tok ñu déggo ci ay ay repères structurels ay ay critères de performance ay ay ay objectifs indicatifs ay objectifs quantitatifs ak yini ni mel mm-hmm. la question de la dette nga jël rapport bi sur cette question là mm-hmm. FMI dafa né état du Sénégal ci suñuy ak mom suñuy waxtaan ak nangu ni marge bi nga ne des statut bu mu nekk légui risque de surendettement modéré. Mhm. fa lañ toll ni suñu vraiment suñu suñu suñuy mhm. euh, mhm. élevé modéré faible ñu ngi diggu doomu ñu ngi ci modéré bi mhm. waaye li des ñu daanu ci élevé état bi ci boppam nangu na ak FMI que marge boobu wàññeeku na lool lool lool li des bëreetul donc mhm. il faut mhm. ñu def ay mesures. d'accord le temps que ñu def ay mesures. conséquences certainement am na ay conséquences ci suñu koom. ah oui moom mooy les les marges budgétaires mooy réduire. Euh, tey jii boo jëlee suñu service de la dette amortissement. Euh, intérêt, intérêts, commissions, etc. Rien que pour l'année prochaine, ça va être 1248 milliards de francs CFA. Nous avons 578 milliards. day nekk 1800 milliards yoo vous dem ci fay ay bor or enjeu budget chiffre bi am importance. si le budget budget Sénégal 7000 milliards la. bo jëlee 1800 milliards. nga nga mengalé ko ak 7000 milliards amana du am yenn de yi. Mhm. bu da budget bi 5000 milliards 5700 euh, milliards. Nous avons si 1800 milliards yoo xam ne et pourtant le ministre euh, des finances dit la dette du Sénégal. ba est soutenable parce que ça avoisine les 68.2% Nous dépassé c'est ce que nous waxatu aujourd'hui boo jëlee dette gouvernement central déjà rek gouvernement central. dette dépassé na 71 du PIB ça veut dire que même bu nekkee dette dette euh, gouvernement central bi kese nga jël dépassé le critère de convergence UEMOA mais dafa am benn euh, kii qui bu ndaw bu ci moi, moi mooy boo jëlee dette gouvernement central nga boole ko ak dette société yi nga xam gouvernement bi moo ko moom c'est ça mm-hmm. ça avoisine 79 du PIB mm-hmm loolu dafa jéggi Dayo. lu ko indi moy lan. mom mm-hmm. moy gis ngeen ce vaste mouvement là de euh, jël ay agence def ko ay sociétés nationales ak yini mel. Mm-hmm. ce qui permet à ces sociétés nationales de lever de la dette. tay pour bo rapport FMI bi bi nga xamné mom soumettre assemblée générale ak yini mel. Mm-hmm. un des critères wala un engagement bi nga xam au Sénégal jël na ci loolu. y a une liste de 16 sociétés nationales. yoo xam ne euh, li bëgg 2024. Il mooy fixer une limite. limite il faut que nous la ñu loolu la Il a lebu. Petrosen. Petrosen sa dette euh, alors euh, rien que sa dette 500 et quelques milliards Si mm-hmm. boo la dette rétrocédée par l'État à Petrocène 200 et quelques milliards ça fait 700 milliards pour xam société nationale vous nous taux d'endettement du Sénégal Vous mhm. nous société nationale yi loolu day mhm. pour une lecture claire mhm. le port autonome ñëwagul AIBD Nyogul, malgré le fait que il y a quelques temps ils ont apuré leur dette quand tu vas sur les documents tu te rends compte que bah, c'est juste un transfert c'est ça euh, nga jël Air Sénégal International alors ça sont les 16 qui nga été fixés dañoo ne dañ de di fixer limite lu ñu mais am 6 yoo xam ne dans le cadre du programme avec le FMI on va les surveiller de près on va les surveiller l'État s'est engagé à les surveiller maintenant il y ay mécanismes fi il y a un commission euh, un comité national de la dette lépp lu ñu en termes d'investissement, c'est dañ leen ko nous a jox ñu saytu pour lan l'incidence incidence bi ci Sénégal. Mhm. ça ne fonctionnait pas normalement. Mhm. maintenant les gens ont pris des engagements pour que mécanisme mécanismes pour que suñu dette ne soient pas parce que les risques sont énormes fu mu que mhm. élection présidentielle c'est ngi un risque risque politique là, parce que ce qui suñu suñu taux de croissance am hmm. en dehors du fait que avons reporter. Hmm. exploitation pétrole et gaz c'est le facteur l'un des facteurs les plus importants. Hmm. mais benen bi moment les troubles sociopolitiques qui fi monde en début 2023. parce que dafa affecter le commerce. affecter le tourisme. affecter les services. affecter le transport. etc. c'est et cetera nous dafa am avons am risques bitim réew la jógee. Mhm. tay ji guerre bi am diganté Israël ak Hamas. Mhm. guerre diganté Ukraine ak euh, ak Russie mhm. ak yini mel. yoy yep ay risques la yo xamné buñu bu ñu day ñew yok ci xar bi. karaw donc il faut que ñu ñu bàyyi xel donc l'économie c'est un tableau disons mitigé vraiment il faut reconnaître qu'il y a de la résilience parce que amna na dëkk yoo vraiment nous ngi un niveau mm. de difficulté Sénégal mu ci mm. quand même mm-hmm. malgré tout mm. euh, vulnérabilité yaa mm-hmm. risque yaa fi mm-hmm. te wax deug yalla nak mëno wax économie te waxo ni nit ñi dundé économie bi te euh, ce qui m'amène très rapidement à 2024 rapidement oui 2024 on compte sur le début de l'exploitation du pétrole et du gaz première conséquence suñu solde suñu compte courant moom moy suñu jëflante ak bitim rew suñu ay exportation dina yokku dina ñun déficit on partira de 20 à à peu près 6 5 l'année prochaine et peut-être beaucoup moins ñu excédentaire l'année qui suit mais au plan budgétaire mm-hmm. on se pose des des des des, questions alors sur la vie des gens mm-hmm. moi ce que j'ai lu dans le rapport mm-hmm. de la revue du FMI. Et j'invite ceux qui peuvent le faire à vraiment lire ce document parce que tous les détails sont là-bas. Man parce que engagement bi ñu consolidation budgétaire. Yok recettes rationaliser dépenses Si ci rationaliser yok recettes déjà. c'est appliquer la vérité des prix. il y aura un audit de la Sénélec sous l'égide de la Banque mondiale l'année prochaine pour la comptabilité analytique les coûts fixes etc. mais objectif bi que la commission euh, de régulation du secteur de l'énergie joyanti indépendance c'est pour que nous appliquions, nous analyser déjà structure prix nous appliquions appliquer la vérité des prix maintenant le FMI et l'État du Sénégal disent on va appliquer la vérité des prix mais on va protéger les couches vulnérables Moi, moi, euh, bu ñu York, nañ nan tranche sociale ak mm-hmm. mais na nit ñi mm-hmm. y a des taxes qui xam ne dañ ko mm-hmm. suspendroon wala ñu éliminer ko ma jox la exemple sur les smartphones dafa a une taxe qui xam ne dañ en 2008 lañ ko éliminer woon mm. dañ c'est ça nga jël euh, bi Covid bi amé mhm. am ay taxes ak ay impôts yu ñu suspendron pour euh, voilà faciliter ak yi mel. Mhm. avec le FMI l'engagement qui est pris c'est que mhm. on va les remettre Inchallah. et tout ça day am njeexital ci yi on verra comment l'État maintenant va amortir euh, l'impact de toutes ces mesures sur les couches les plus vulnérables. Maintenant, sur la rationalisation des dépenses, mhm. il y a les dépenses fiscales, mhm. exonération, exemption de TVA, etc. Il y a des C'est mhm. effectivement, koppar la buy dugg ci gafaka réew Réomi, mais euh, ñi doon bénéficier de bu nekkee ni dafa am impact ci prix euh, à la consommation. Mhm. loolu tamit euh, consommateur, yi dinañ ko yëg. c'est des choses qui sont importantes. merci beaucoup Souleymane jàngat bi amna solo ni ñu ko defee ci wàllu monsieur le ministre euh, Mansour Faye mooy suñu invité léegi léegi ñu dalal ko.